sama gars rek ba tey rek kon seen émission votre waxtaan rek ci ben BND production muy seen seen seen YouTube bi ngeen tanal seen bop di ci bëggee sa su nek nak muy bép émission rek bi ñu def ngeen ñuy top di ñu suivre. kon ñu leen jaajeufal baax nak tay seen émission votre waxtaan nak ñu ñew fi ci Mbawa ah, fekk ci fi nak sama gaay nak di def seen waxtaan manam tollu ci quart de finale ah, ci diggante nak ah, Zimenga ak Extension Zimenga ñoom ñoo sol nak moy zone yi zone bleu yi. waa extension ñoo sol euh, bleu blanc yi kon fu nekk nag ñi ngi commencé jongante bi ba fu nekk yaakaar naa ci deuxième mi-temps bi sax lañ fekkee kon euh, kenn dugalagul dara maanaam euh, zéro zéro lañ toll fu nekk nii ci quart de finale bi fii ci Mbaaw si diggante Zimenga ak Extension xanaa rek euh, damay nag rek euh, ubbi wax ji rek waaye damay ubbi émission bi rek euh, waaye ci kanam incha allah sama rakk ju baax jooju Mamadou Lamine Lamine Sonko moom ngeen xam ci seen émission votre nawetaan moo koy présenté dafa am si lu mu nekk noonu rek waaye bu ñëwee dama koy jox micro bi mu daal di wéyal ak yéen ah comme ni ngeen ko xamee rek saa su nekk rek lépp rek ngir bëgg seen mbégte rek ci biir bi commencé liggéey waa numéro 6 bu Zimenga moo def faute euh, si euh, numéro 11 bu extension marquage derrière la def moo tax arbitre bi ko nag loolu bokkul ci poids mi dama lay daal di jox euh, carton carton zone seen émission votre nawetaan fii ci stade Mbao waaw mi ngi noonu coup franc yaa ngi ci ah. ñu ngi noonu nag coup bi arbitre soufflé si diggante extension ak waa extension doon bal bi sant na ko ah. coup franc courant bi wasimega door nañ ko dem na ci kay ah cornel cornel numéro 5 extension bi mëkk na ko mu dem cornel ne na ko fii dara du fi duggé la yakana ma ngi ñam ci rapporté bi de aca cornel bi da ko teg vite fait daal koy passe euh, ah jeex gol ba japp nako bal bi ñooy dawal nonu xalé yi dawal nonu numéro 5 bi jëlat nako ah capitaine bi pass nako moo ñoo dawal numéro cinq bi jël na bal bi lay doon wala ah contre na ko Cornel. naa kon looloo tax mu yow. wax la euh, euh, chers abonnés de la BND Production on est là dans le stade mythique euh, de Mbao pour les phases de quart de finale donc voilà l'équipe qui sont dans le terrain c'est le l'AC Zimenga et extension. Donc euh, voilà, et c'est la deuxième mi-temps que vous êtes en train de suivre comme ça. Et les deux, euh, le score c'est vierge et nul. Voilà, c'est la fin de la rencontre entre les deux, de, deux formations, les deux ici, ici extension et l'AIC Jimenga. Euh, la rencontre s'est terminée entre ces deux formations, zéro but partout. Donc voilà, c'est la séance de tir qui va suivre dans quelques instants. Voilà l'arbitre qui fait ces derniers réglages et les cultes aussi qui font leurs derniers réglages. Euh, vous allez voir euh, dans quelques minutes la, la science des tirs euh, va commencer, Donc voilà, les deux formations se préparent. Donc voilà une ambiance dans l'autre partie, l'autre côté du stade de Mbao. Voilà, Là, le stade est rempli de monde. Voilà, au niveau des deux tribunes, il y a du monde. Voilà, il y a même euh, certains supporters qui sont au-dessus des murs. Voilà, partout, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ici dans ce stade euh, mythique de Mbao.

répété nañ ko science tiro bi répété nañ ko mais travail nañ bu baax parce que 4 mois entraînement xam nga ku ko def tamit nekkul c'est pas nekkul lo xam lu facile la quoi waaw mais instant nak bon def nañ lepp dañuy bàyyi lepp ci loxo yàlla xam lu yàlla di tëral quoi. oui il a posé son ballon et il prend son élan le numéro 9 le capitaine qui va monter le sommet et il rate la barre traversale il rate le capitaine de l'AIC Zimenga, le numéro 9, vient de rater le premier tireur. Le premier tireur de l'AIC Extension qui pose son ballon. Il prend son élan, le numéro 8. Et il marque. Il prend en contre-pied le gardien de l'AIC Jimenga. Voilà, il prend son élan, le numéro 15 de l'AIC Zimenga. Et qui Quel bel arrêt du gardien de l'AIC Extension. Deux tirs ratés. Il se prépare bien. Il prend tout son temps. Voilà. Et il marque. Il contre-pied. Voilà qui montre tout son talent sur ce tir, euh, euh, cette science de tir au but, les instants voilà, qui, qui qui rit avec ses coups de pied. Voilà le troisième tireur de l'AIC Jumenga. On vous rappelle que ces deux billes à 0. Numéro 4 qui se, qui se prépare, qui tire et qui rate. Voilà, quel bel arrêt encore. Sorti par les gardiens de l'AIC. Extension. S'il marque, c'est fini. S'il marque, c'est fini. But. Voilà. Malgré la. Voilà, l'arbitre qui met fait c'est vrai. C'est normal parce que c'est 3 à 0. Voilà. Euh, euh, c'est terminé. Là, c'est extension qui vient. Euh, j'ai une question pour toi. Dans les premier mi-temps, deuxième mi-temps, match de Bidjaré, score vierge et nul. Donc, vous avez gagné. Comment nous disons le match d'abord, avant de nous au Wa Je suis nuyu supporter suñ je match bi metti non torop torop torop mais tamit xam nga li gëm-gëm la ñun gëm-gëm la kenn mënu kenn xamul ci dara kenn mënu jara yalla rek dañuy ut tamit te yalla di encouragé gars yi ne déwén am na fi te tamit ñun dañuy gën a yokkaat liggéey xam gën a am na lu nekk suñu kanam lii passé nañ ko dañuy gën a liggéeyaat ñu gërëm suñu supporters ak suñu dirigeants yi ak joueurs yi yëpp parce que lii yombul depuis 3 mois 4 mois affaire yi métti trop trop trop te tamit yombul dañuy ñaan yàlla yàlla mooy ñu coupe bi ci carton yalla comme niñ ko yag xamé dem final dóor ko dem ñibi jox suñu supporters ndam li ñu bëgg ci carton très bien voilà séance euh, tiro bi laay ñëw euh, je vois que tiré ngeen sen tiro bi sans sans problème euh da melni liggéey ngeen ko. liggéey ngeen ko wa li nak wax deug yalla tàmm nañ ko. tàmm nañ ko depuis ay année ku ñu xam ku xam action xam ni ñoom affaire penalty nekul problème ci ñom nekul problème ci ñom ya ni lañ jago a suñu joueur bo xol amuñu sans pression biñ demee xam ñu xam nañ match bi. trop tard série lañ jëm. Mhm.

Euh, Pato Lopez, euh, euh, on, a quelques questions pour vous. Donc voilà, vous avez joué la première mi-temps, deuxième mi-temps, et que le match est terminé entre les deux formations par un zéro but partout, et que vous êtes parti en séance de, au et que votre équipe est qualifiée en quart en demi-finale. Donc voilà, comment vous avez vu le match d'abord Dieu merci d'abord. Pour commencer, Dieu merci. je sais que ça n'a pas été un match très, très difficile. Là, on est on est en binôme on travaille ensemble. C'est les deux couches qui travaillent ensemble. Il n'y a pas un qui va sans l'autre. Déjà, on a gagné, Alhamdoulilah. Euh, on va revoir toutes les fautes qu'on a fait, Toutes les fautes qu'on a, qu'on a, commises. Excusez-moi. On, a fait, euh, on va revoir toutes les fautes qu'on a commises. On va euh, s'atteler sur le travail le week-end-là. Donc voilà, les séances de tirs au j'ai vu que vos poulains ont bien tiré les tirs au Donc voilà, il paraît ça. Mais là que vous avez travaillé ça au niveau des entraînements, ou bien. Non, non, du tout, du tout. On sait que naturellement, le Sénégalais, il, est, il, est, il sait tirer les buts. Mais c'est avec la pression. On n'a pas mis la pression. On, les a laissés seulement se, choisir et puis frapper, simplement. Donc, voilà, et votre gardien a fait des bons arrêts, des belles arrêts même. Donc voilà, comment c'est un bon gardien. Euh, votre euh, euh, satisfaction vous montrez. Euh, euh, satisfaction, je, sais, je saurais dire. On n'est jamais rassasiés, nous les coachs, on n'est jamais rassasiés. On a fait 0-0, on a gagné par euh, tir au but. On va essayer de ne pas se mettre la pression la prochaine fois pour au moins essayer de marquer un but. Quel est votre objectif prochain ben, Bien sûr, gagner les demi-finales aussi gagner les demi-finales, aller au plus, le plus loin possible. Donc c'est bien, donc euh, votre objectif prochain c'est gagner les demi-finales et gagner la finale, aller plus loin possible, donc gagner la, la finale. Donc voilà, qu'est-ce que vous, vous dites aux supporters qui, sont, qui ont fait les déplacements euh, Déjà, j'encourage le public qui est là aujourd'hui. C'est vrai que ça n'a pas été facile parce qu'il y avait le soleil au départ. Euh, ils sont venus en masse, euh, bravo à eux et encore du courage, qu'ils restent encore derrière nous. C'est ce que je... D'accord. Merci, on vous remercie. Coach, euh, merci. Voilà, le coach, le deuxième, ils sont, et, voilà, ils disent que le coach a dit qu'il n'y a pas de deux, c'est le bio, c'est le duo qui travaille ensemble. Donc voilà, coach, nous sommes Comme les mots de là, c'est mon jumeau, le sport. Le dôme Adam Adem Sanken, bonne je suis un peu d'olé.

on vous remercie les deux coachs, les deux qui travaillent ensemble et qui ont gagné ici euh, aujourd'hui. Ils sont qualifiés pour les euh, demi-finales, donc on vous, souhaite bon sens pour les demi-finales. Merci. Voilà, nous sommes avec, euh, on est là avec le, gardien de l'AIC qui est qualifié, qui a battu son adversaire du jour, l'AIC Zimenga. Donc voilà, c'est le, gardien de l'AIC Extension. Gardien, nous sommes là. Oui, je suis là. Non, qui c'est waaw ah, match bi c'était pas un match facile parce que dès le départ ni ce sont des de bons joueurs ils ont de, la qualité ils ont une bonne défense aussi donc moo ça été pas ça sera pas facile. match bi euh, score nul 0 euh, bi partout ngeen dem see bi ñu juste la tu as fait un très de trois trois belles arrêts euh, oui deux belles arrêts et l'autre c'est sur la balle traversale mais qu'est-ce que vous avez travaillé ça où j'ai travaillé ça avec avec un gardien de but euh, qui s'appelle Bass. lui aussi il était excellent en tir en série de penalty et grâce à Dieu voilà je le remercie aussi de m'avoir voilà donné cette euh, précieuse chose là et j'en profite le maximum. Donc, euh, on, vous remercie beaucoup. vous êtes aussi bonne chance pour les phases, les demi-finales. Ah. Donc euh, voilà, on est là avec euh, le coach de l'AIC Jimenga, Ahmed Job, euh, Ahmed Job Gay, Ahmed Gay du moins. Voilà, Ahmed Marspi Djerena, zéro partout. Premier mi-temps, deuxième mi-temps, Ken Ken ça Donc voilà, nous nous non là, Marspi, non là, nous Marspi, bon, d'abord, avant tout, nous sommes nous nous

dóor nañu mais ñepp raté premier bi dafa tiré moy capitaine bi tiré na sur la barre traversale ñaari góol yi moo ko qu'est-ce qui se passe xanaa euh, vous n'avez pas travaillé ça liggéeyoo leen ko entraînement xanaa. bon xam nga tamit euh, comme défaite bu ñëwee défaite ñëw na quoi parce que entraînement préparé nañ en conséquence lolu parce que tam kuy dem euh, quart final da ngay préparé gagné si match bi préparer tamit tiro bi bon xam naa tamit dañoo am malchance waaw on n'a pas eu la chance de de réussir nos tirs. Bon, c'est le sport, quoi. C'est le, c'est le football, quand même. Effectivement, c'est le, c'est le sport. Oh, oui, très bien. Football Modemé, non, nous, c'est le sport. On vous remercie euh, le coach de Jimenga. Et bon, euh, du courage pour euh, l'année prochaine, Inch'Allah, que vous ayez loin dans les compétitions. D'accord, merci.